Alors, on va parler de découverte. Un tipi sous la neige. Exactement. C'est quoi exactement euh, côté digital damay bàyyi Cheikh ma image magnifique comme que toujours nous ngi ci mois de décembre Les loo c'est que c'est féerique fête c'est joie mais c'est beau aussi Nous leen koy découvrir loo ñu des di magnéto bi day découverte dans la matinale toujours dans l'ambiance de fête la découverte est un tipi sous la neige en Savoie. Le village tipi situé à Savoie, Grand Revard, 73 dans le Petit Canada, offre une expérience inoubliable au milieu des montagnes enneigées. Pour passer une nuit de décembre dans une ambiance de Noël, vous logez dans un des 10 tipis chauffés, dormez dans de vrais lits confortables et vous avez le choix parmi les activités suivantes, à savoir la balade en raquette, chasse au trésor, lancer de flèches polynésiennes, chasse aux lumières, descente en luge, dîner savoyard et de plus magique, une balade en chien de traîneau. En prime au réveil, vous admirez une vie sur le Mont Blanc avant de vivre comme de vrais petits esquimaux. Formule soirée trappeur avec dîner, boissons et activités à partir de 43 euros par personne. Il faut dire qu'un tipi sous la neige à savoir, c'est aussi de la fête. tey nak découverte bi dañu dem feulé ci Petit Canada euh, mu nek ben village bo xamné nek ñu koy wowe le village tipi ñu koy wowe un tipi sous la neige en Savoie en Savoie bo démé ci Grand Revard 73 euh, dans le Petit Canada moy offrir li nga xamné nek moy ben expérience bo xamné nek inoubliable lan la ma Cheikh Faye wax sax tipi en wolof. tante euh, tante tante non non xayma voilà xayma la boo xam ne que ñu ngi koy defee en hauteur montagne ci ay neige mais xayma yoo xam ne ne que comme ni ma ko expliqué ci magnéto bi c'est modernisé ba pare tu es au chaud en l'intérieur à côté ci xayma yi dañ ci def ay euh, activités yoo xam ne ne que ça peut te permettre nga mën a nekk à l'aise par exemple mën nga fa def benn balade en champ de traîneau mën nga fa def benn dîner boo xam ne ne que moom la ñuy woowee dîner savoyard mën nga fa def lépp loo xam ne ne que c'est chasse aux lumières wala descente en luge mu nekk ay activités yoo xam ne ne que ça à côté de li nga xam ne ne que moom la ñuy tuddee ay xayma moderne lépp pour expérience su Noël bi boo fekkee ne que tu en as marre wala tu en as assez de la routine wala des des mêmes programmes yo xam nek chaque fois mom ngay def comme activité mun nga dem fi nga xam ne ne que wax le Petit Canada amna ben village bu ñuy woowee Tipi à savoir boo fa demee di fa fekk ay xayma yo xam nek c'est que vraiment vraiment magnifique c'est vraiment bien organisé ba pare tu es au chaud tu es à l'aise euh, merci côté image Cheikh Faye di leen wax nek que ñi ñuy suivre ci 99.4 point di ngeen mën sétane image en replay ci www comme image bi fait dougani euh, ces deux mariés yoo xam ne que ñu ngi célébrer seen mariage fii si euh, yi tipi euh, magnifique ba pare ça sort de l'ordinaire il est tout en blanc il est tout en noir ils sont magnifiques te mois de décembre comme ni ma ko waxee woon y a beaucoup de mariages qui se célèbrent il y a beaucoup d'ignons au mois de décembre que ce soit catholique chrétien musulman en tout cas en décembre les gens ont choisi ce mois s'unir. En tout cas, il y a tellement de mariages. Chaque week-end, il y a des mariages. Chaque week-end, du 1er décembre au 31 décembre, il y a des mariages partout, partout, partout. Comme que moi, de fait, là, je me dis que c'est une bonne occasion pour l'Ingham que c'est ton jour le plus heureux du monde, soit disant jour, parce que les divorcés pour mariage. <laughs> J'avoue. <laughs> voilà. Par rapport à cela, comme que c'est ton plus beau jour, donc euh, je me dis qu'il se doit que nous date à moi, c'est un mois, que c'est féerique voilà c'est heureux Décembre, décembre faut correspondre à moi, Bobo. voilà il y a beaucoup de mariages alors euh, chers chers mariés s'il vous plaît <laughs> il faut garder vos mariages vous mariez en décembre il faut pas avant décembre prochain on dit que vous avez divorcé. Hmm, en tout cas hein? c'est un phénomène bo comme n'est que très alarmant. parce que bon, demain c'est tribunal <laughs> mariage ça fait trois piles divorce ça fait 150 piles. mais il faut noter aussi les mariages forcés dont Viviane chante comme oh, ça. c'est vrai il y a des mariages forcés. faut nous laisser ah mais pardon. Je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord oui, on n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas <laughs> d'accord avec les mariages forcés. Mais il y en a, il faut les noter, j'ai dit. Ah. oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as dit, toi, les mariages forcés Moi, il n'y a pas de mariage, forcé ici. Mm. Mm, mm. Moi qui voulais te donner un avant, de avant que tu ne te maries au PNJ, là. Parce que ça, c'est forcé. Je sais que tu vas refuser. Donc, ce sera un, <laughs> un mariage forcé. Heureusement qu'on est au troisième, euh, au 21e siècle. <laughs> Non, mais ça existe toujours. On est tellement intelligentes, nos filles, là. Quand on ne veut pas se marier, il y a d'autres alternatives. Oui, mais, mais quand, même, quand même, ça existe toujours. Oui, peut-être, mais je me dis que D'accord, si tu le dis. Mais PNG, pourquoi tu dis non Mara MC, je dis ça en direct live. Mais pourquoi Ils sont ils sont mignons, en bleu, en rouge, un très sérieux, vraiment. Hein je préfère me marier à un malade mental. Sérieusement, vous avez entendu, chers internautes Parce qu'il me fatigue ces jumeaux-là. Non, mais attends. Mais je leur fais un coucou parce que c'est des amours. Mais je ne veux pas me marier avec eux. En tout cas, Banel Camara, moi, je vais, je vais la donner en mariage. carrément. Il est temps. Vraiment, c'est une papaye et elle est crue, quoi. en <laughs> mariage. Il est exactement 9h de 30 minutes. On y va en musique et puis on tout à l'heure pour parler de quelques conseils pour faire des achats intelligents pendant ce mois de décembre et comment bien faire un sapin de Noël. Aujourd'hui, on va bien décorer un sapin de Noël. Yeah, on live and direct. Live and direct.